votre site internet, vos films d'entreprise, contactez LS de Laurie sur cetadakar.com, le magazine tout en vidéo qui parle aux Sénégalais partout dans le monde. Je vous salue tous et toutes, surtout. Et je me présente, moi je m'appelle Mamadou Sissé, je suis à la prévoyance euh, assurance comme travailleur, mais aussi je suis de la famille Mouri, globalement. Mais mes origines sont de Darumorti et j'y habite, j'y vais très très très régulièrement. man suis ngi tudd Je suis waaw suis ñun ay ndongo la. André Coli, je suis de rue du Castel. man maa ngi tudd Maadou Goré laa dëkk Baye Fall laa taaliba sëñ Fallou Fall borom ndaam aljana. asalaamaaleykum maa ngi tudd Souleymane Ndiaye. le Ramadan fait partie des piliers de l'islam en fait déjà ça nous a été édicté dicté par le euh, Dieu mais venu par le biais par le véhicule du Coran. C'est une obligation pour tous, tous les musulmans de jeûner, mais l'objectif ce n'est pas d'avoir faim seulement ou d'avoir soif seulement ou d'avoir soif et faim à la fois, c'est surtout un moment de communion entre ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, de partager avec la communauté un tout petit peu les moments, les mêmes moments de début de jeûne, de fin de jeûne et surtout de partager les repas ensemble et à un moment donné. Donc, c'est surtout le, les échanges dans cette période-là qu'il faut magnifier et non seulement le, la soif ou la faim. bon mbirum woor vous leen doon wax parce que Bay Fall yu bari nous sommes ñu woor quoi comme man ki ci à ni man mii quoi. man Baye Fall laa Baye Daaru laa.

à perpétuer cela. Perpétuer un acte religieux est un acte religieux. Je dis, nous, ne faisons que suivre le prophète dans ses prédications, dans ses comportements, dans ses affaires, dans, dans ses façons de faire. Donc, je comprendrais bien, moi, que les adeptes de Cheikh Ibrahim puissent suivre Cheikh Ibrahim dans son comportement de tous les jours. ñoom xëj na ñoo xam lu tax ñu ne duñu woor waaye man damay woor parce que yàlla dafa santaane koor nekk bàyyi faltam te nga xamante ne jullit nga da nga war a si def li nga xam ne moom la yàlla di santaane. man damay woor nag dem naa màkk ba ñëw damay woor te yaay Fall la sama wasila moo tax man du ma woor sëñ maam Cheikh Ibrahima Fall parce que fi yàlla di fayee keroog euh, yomal xayaam koor ak woor. sëñ Ibrahima maam Cheikh Ibrahima Fall du du fa duñ ko fa fay loolu moo tax man du ma woor quoi en tant que Baye Fall daan naa woor nag mais depuis bi ma jotee ndigal yooyu moo tax loolu moo tax ma xaw wóor naa mooy maanaam danoo wékku ci koo xam ne maanaam maanaam muy suñu référence muy Cheikh Ibrahima Fall daa bay maam Seynabou Ndiaye borom njëray waxee Fall waaw maanaam kooka nag maanaam daf noo wax ci maanaam bokkul ak charia benn yoon ay kii daal waaw ci sunu tarbiya nag moom comme amul woon jot maanaam def manam jotu manam liggéey la taamu woon kon ñun ci liggéey la ñu taamoo daal maanaam man sunu sunu julli ñun ci ak woor ci liggéey lañ ko ak jël sunu alal ak sunu ñaq ak sunu doole ak sunu lépp joxe ko waaw waaw foofu la ñu féete daal mais nag julli dañuy def manam saa su nekk léeg-léeg xam nga yomb na ñuy julli nii waaye maanaam julli daal dëgg dëgg dëgg daal mooy topp sunu wasi la mais en ce qui me concerne en tant que mourid Moi, je vous dirais simplement qu'il faut faire déjà plusieurs distinguos. Le premier des distinguo à faire, c'est que tout le monde n'est pas Baïfal. On, ne trouverait pas un Baïfal, par exemple, dans certaines familles. Je, suis en train de, dévoiler peut-être un de vos secrets, mais certainement vous avez dû interroger des Baïfal qui appartiennent à des familles autrement mourites mais qui ne sont pas des baïfals. Un baïfal, il a un marabout baïfal et il a un comportement de baïfal. Mais faire comme moi, juste ne, pas jeûner ne pas prier pour dire qu'on est baïfal, ce n'est pas ça du tout. Ce que le, le, avait demandé de faire. Donc, je pense qu'il faut déjà interroger celui qui n'est pas baïfal et qui se comporte comme un baïfal ou alors aller carrément vers les adeptes du baïfalisme qui, eux, se comportent comme des Baifal tous les jours et avec leurs marabouts en même temps. En ce moment-là, ils vous diront qu'ils ont ça dans leur pratique de tous les jours depuis l'existence de Serine Touba. Serine Touba a existé et les ont existé. S'il avait souhaité les rayer de la carte, il l'aurait fait. Et s'il les a laissés, je crois qu'il faudrait peut-être s'interroger autrement sur ces gens-là. ñoom maanaam fi ñu ko teg mooy ginnaaw Cheikh Ibra Fall ba weer gi koor gi ñëwee dafa woor ba woorloo ginaar yi woorloo ñëpp ñu daal ko sëñ bi woo ko ne ko yow koor wàcc na la léegi nag ñoom ci biir loolu ci foofu lañ ko tënk di wax ne comme que ñoom ñooy soldaaru ñoom ñooy soldaaru Xaadimu Rasuul te Cheikh Ibra Fall ay seen jiit te woor dañ ko ko wàcc woon lool foofu lañ ko tënk ba tax na ñoom du woor. maam Cheikh Ibrahima Fall keroog yomal xeyaam fi ñuy fayee fi yàlla di fayee ñiy woor ak ñiy julli moom duñ ko fa fay. loolu moo tax te ñun lool ci leel ci mbirum mbirum maam Cheikh moo nu tax a yëkkati ay Baay Fall lañu. waaw Cheikh Ibrahima nag maanaam kenn ko ci ne am nga wasila ñun nag suñu wasila mooy Cheikh Mouhamadul Karam Mbacké Noreyni maanaam moom lañuy topp. moom la ñu mooy référence mooy guide spirituel. par rapport à, à Touba ses rapports avec la religion ont toujours été des rapports très simples il, aura toujours dit qu'il est là pour dégarnir un tout petit peu le chemin que le prophète avait tracé et qui avait un tout petit peu été délaissé donc il a débroussaillé un tout petit peu ce chemin-là. Il n'a rien fait d'autre que débroussailler un chemin que le prophète avait déjà tracé à travers le Coran, les hadiths et son comportement de tous les jours. Ce qui vous pose problème à vous et à beaucoup d'autres très certainement, c'est pourquoi les se réclamant du mouridisme arrivent à ne pas Gêner mais si vous aviez connu votre religion correctement, vous vous auriez rendu compte qu'ils ne sont pas les seuls sur cette terre-là à ne pas jeûner. man Baye Fall buy woor laa man Baye Daaru laa sax waaw Baye Daaru bul woor la buy woor laa daal parce que suñu sëriñ Cheikh Modou Kara ñëpp ko xam si moom ku ko xam xamu ne day woor waaw moom day woor moo ñun il faut ñu woor bu ñu woorul kon suñu ndigalu ñu jëfe suñu sëriñ du mun doon dëgg daal waaw mbar il faut ñu woor daal tamit ñii di Baye Fall waa kër euh, taalibe sëñ Fallou Fall ñoom su neexee tamit du ñu woor parce que ñoom fu ñu bokk la ñu ngi bokk si maam Seera Fall waaw bu ñu bokkee si maam Seera Fall nag ñoom dañuy joxe sukaru kor di joxe ndogu di joxe lépp daal lépp luy dem si si koor gi daal dañ koy joxe waa dañuy génnee asaka di joxe si kor gi man nag. taalibe Cheikh Modou Kara la damay woor. maanaam bu njëkk Cheikh Ibra maanaam Sëñ Tuubaa da ko woorloo mu woorloo xar yi woorloo ganaar yi woorloo kon maanaam baay Fall lu mu dugg maanaam day ëpp waaw kon tey maanaam boo ko dulloon muy julli nii mën naa julli 24 heures te xam nga xam nga loolu ay ay yitte boppam ci ngëmam dimension ngëmam moo garaaw daal maanaam lu muy dugg rek moom da ciy dugg xër goo xam ne day maanaam day dem ba lislaam sax danaan maanaam kii ndax xër gi mu ciy dugal. vous êtes pas posé la question qu'est-ce qu'ils font pendant cette période-là tous ceux qui mangent le soir à Touba et dans ces environs-là sont nourris par ces mêmes baïfans. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de se poser la question quelle est la part du jeune dans l'acte religieux et quelle est la part de du fait de donner à manger dans l'acte religieux. Il y a l'acte religieux d'abord et la valeur de l'acte religieux. Quel est, l'acte qui a plus de valeur Si moi je fonctionne en termes de valeur, je dis, je choisis l'acte le plus valeur. Si je fonctionne en termes d'appartenance simplement à une communauté, j'aurais dit oui, je fais comme tout le monde, je jeûne comme tout le monde, et comme ça, je suis de, la, communauté. Mais appartenir à la communauté musulmane, ce n'est pas faire comme tout le monde. Parce que l'acte religieux, en tout cas la religion, elle est d'abord individuelle avant de communautaire. kon damay damay d'abord du suis may ci mobile. bi. Yang ngi ne mu mana manam loolu maanaam comme bëgg yàlla rek bëgg nit ñi nu saf yalla nu xam kon li donso maanaam li nga doon soo ko bañee dafa fekk nga gën cee ñaaw rek waaw léegi ñun ñu maanaam bañ cee wan ne dal daal dal daal ñaawuñu ci ñun dal bëgg nañ cee fës bëgg nañ cee doon dara dal maanaam gëm gi ñu gëm waral ñu def allahu gini manam maanaam ne ne yàlla daal ne ci ñun maanaam mun neex ak mun ci àdduna ba dem daal yàlla la ñuy doxal yàlla la ñuy doxee ñun ñëpp ay yaay faal lañu yéen yéen ma gën a nekk yaay fall sax yéen ñi nga xam da ngi yor seen i caméra yaa ngi may dégg di wër di nekk ay jigéen yu takku boo gisee ñuy wax yaay fall maanaam rafetal rafetal lu wax bi la ak maanaam nga xam ne jigéen nuñ ko war a warmaalee xam nga xam nga maanaam suñu ne yaay fall rek loolu moom c'est c'est poli quoi xam nga la yaay fall loolu rek la mais yaay fall du question ay comme ni ngeen koy imaginer di wax Baay Faal li wala li dedet Yaay Faal moy jigéen ju baax Yaay Faal mooy jigéen joo xam ne dafa dafa dafay dafay takku di liggéey lol moy Yaay Faal c'est ça loolu lay signifié moo boobu lay signifier Yaay Faal mais amul leneen moy jigéen ju mën góor mooy Yaay Faal waaw. Pourquoi les gens y prient Ce n'est pas dit dans le Coran que les gens ils doivent faire cinq prières. Pourquoi ils le font Ils le font parce que simplement ils suivre ce que le prophète avait fait. Donc c'est toujours suivre et copier. Voilà ce qui fait que la religion devient tout de suite très compliquée par rapport à certaines personnes. Parce que la, base, le soubassement théorique n'est pas solide chez certaines personnes. Donc, ils peuvent se poser des questions. Il y a des, des, qui dansent, qui tournent, ils sont musulmans C'est dit où Qu'est-ce qu'il explique Donc, il y a des comportements dans notre religion qui ne sont pas des comportements typiquement sénégalais. Il y a des comportements qui viennent d'ailleurs. Allons chez les chiens, ils se lacèrent le corps. Est-ce que c'est la religion Est-ce que ça peut se comprendre voilà la différenciation. Nous sommes au Sénégal, généralement nous sommes souvent mal équipés. Mais il y a d'autres facettes de la religion qui existent ailleurs. Et c'est l'ensemble de ces facettes-là, la somme de ces pensants, qui fait la beauté de la religion musulmane. Si vous allez chez moi, si vous y trouverez un baïfan, il n'est pas baïfan. Moi, je suis de Murti, je suis de la famille de Mamtiano Ibrahim Baké et Nous ne sommes pas là.